Je m'appelle Abdourahman Ouad. Euh, je suis membre de la jeunesse républicaine euh, euh derrière le DG Nous tenons tout d'abord à remercier la population tchessoise pour avoir voté dans la maturité et sans incident majeur. Nous adressons également nos chaleureuses félicitations au président de la République, Macky Sall, pour la belle et sans équivoque victoire notre nation a entériné une nouvelle ère dans son processus de maturation politique. Fort heureusement, Thiès n'a pas été en reste. Au soir de ces élections présidentielles du 24 février 2017, fort en enseignement, il est important de constater et de se féliciter de l'évolution numérique de l'électorat de Macky Sall à Thiès. En effet, notre coalition, absente du quartier final de l'élection présidentielle de 2012, a enregistré 80 386 voix aux législatives précédentes pour arriver aujourd'hui à 100 422 voix au sortir du scrutin du 24 février, soit une évolution de plus de 20 000 voix. Cette prouesse électorale est totalement imputable ici à Thiès, au travail remarquable impulsé par le DG de la Poste, M. Sireya. Cette avancée a pu être obtenue grâce à un travail colossal et stratégique de proximité avec les populations thiessoises à travers les cellules de communication et les comités de quartier. La communion et les échanges du DG Sireya dans les journées et soirées de campagne électorale ont été déterminants dans la percée opérée le 24 février passé. En définitive, cette constance dans la dynamique montre encore une fois l'attachement indéfectible de Pape Sireja à son terroir et son désir ardent d'apporter le renouveau politique dont Thiès a tant besoin pour des lendemains meilleurs. Euh, je vous remercie. Euh, maintenant, je vais passer la parole à mon camarade. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, euh, tout d'abord une jeunesse républicaine bi nous ñoo presse Nous avons élection présidentielle du 24 février 2019.

kenn doodu ci werante ndam lu leer naa ñu la bu sedd guy ñu ko ci félicité pour wax ci Thiès nag dinañu yomb ñun ñi nga xamante si ni ñu ngi woon ci terrain bi suba ngoon guddi ak bëccëg pour jàpp ci liggéey bi nga xamante si ni président de la république moo ñu ko sasoon ñu nekkoon ci ak moom alhamdulilah lañuy wax ba génn nañ ci ak ndam génn nañ ci ak ndam parce que bu ñu xoolee 2012 bi nga xamante si ni mooy élection présidentielle bi jiitu woon 2019 coalition Benno Bokk Yaakaar wala APR amul woon sax 7 pour cent ci biir département de Thiès donc tey jii bu ñu defee élection 2019 bi ba pare ñu am ci plus de 40 pour cent dañuy wax ni sant yàlla la liñ ci mën a yokk mooy di gërëm di sant le directeur général Pape Siré mi nga xamante si nii gisoon nañu taxawaayam avant élection yi pendant campagne yi ba mu jeex loolu nga xamante si ni da ko doon def suba ak ngoon guddi ak bëccëg jege woon trop population bi créé woon ay cellules créé woon ay comités dans tous les quartiers de Thiès ñu koy liggéeyal suba ak ngoon guddi ak bëccëg ba tey ñu am ndam lii ñu ci am su ma nee ndam mooy dañoo jóge woon ci élection présidentielle yi nga xam ne ci élection législative yu 2017 yi nga xam ne ni ñu ngi ci amoon 80 mille 386 voix ñëw ci élection présidentielle yu 2019 yi am ci plus de 100 mille 422 voix yokk nañ ci diggante bi plus de 20 mille voix loolu ku ko xool xam ni liggéeyub euh, Siré Dia la constant euh, constantam la ci biir terrain bi ak proximité bi mu am ci population wu thiessoise fi ñuy daanalee nag mooy di ñaan président de la république pour mu gën a dooleel le directeur général Pape Siré Dia fii ci Thiès mu gën koo dooleel mu gën a nekk ci wetu population thiessois yi gën koo mën a accompagner ci ñaareelu phase plan Sénégal émergent jërëjëf mbooloo